Je précise que je suis membre fondateur du parti Réumi. Donc avant le Réumi, euh, j'étais avec euh, Yanko Diatra dans le parti Fidel. Donc il a créé Fidel, on était des étudiants moi j'étais membre du MEF. Le MEF, c'était le mouvement des élèves étudiants fidèles. Donc, euh, j'étais le chargé de l'organisation du MEF. Ensuite, on a créé le Réumi le 2 novembre 2006. Et euh, le président du parti, M. Idrissa Seck, il avait demandé à ce que tous les mouvements soient fusionnés. C'est ça qui a fait euh, qu'on a été dans le bureau des étudiants Réumi en 2006. Donc, on a était aux élections présidentielles de 2007. On a accueilli le leader à l'université. Nous étions le seul mouvement à avoir accueilli un candidat au sein de l'université. Et euh, depuis lors, j'ai milité dans le parti, dans les instances. J'ai débuté mon militantisme à Pékin, dans le département de Pékin. Euh, c'est là-bas où j'ai dirigé les jeunes de, de 2008 jusqu'à ma démission. Mm-hmm. Donc, euh, j'ai été à tête de liste euh, des jeunes, donc le jeune qui était au, plus haut niveau sur la liste en 2009, lors des élections locales de 2009 à Pékin. Donc ensuite, euh, j'ai été nommé secrétaire permanent, membre de la direction du parti, membre du secrétaire national le 4 septembre 2014 par Idrissa Seck lors d'une réunion de secrétaire national. Donc j'ai été le plus jeune membre de la direction du parti. Et depuis lors, euh, j'ai quitté par la suite le, 11 novembre 2017. Mais pratiquement. raison, raisons, M. qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté le Réunis à cette, cette époque-là Oui, vous savez. C'est l'occasion euh, d'expliquer aux Sénégalais ce qui s'est passé réellement. Oui, mais bon, permettez-moi d'abord de, vraiment de saluer mes frères qui sont toujours là-bas. Donc j'ai beaucoup d'amis au sein de Réumi. Donc le rendre en hommage parce que vraiment j'ai fait presque 10 ans de compagnonnage avec beaucoup de gens qui sont là-bas. Mais vous savez, dans la vie, il faut parfois euh, s'arrêter et faire une évaluation. vraiment, je pense que Jésus est nécessaire que, de quitter ce parti. Donc vraiment pour beaucoup de raisons. Est-ce que ça a un rapport avec, euh, euh, disons, cet événement malheureux qui nous est arrivé Bon, j'ai fait une déclaration qui a été mal interprétée par, euh, beaucoup, de, gens qui, sont dans le rhume et pour des raisons, je ne sais pas, politiques. Parce qu'il y, en a qui, ont profité euh, du fait que j'ai quitté le parti pour peut-être euh, faire un lynchage médiatique, etc. Mais ce que j'ai dit est clair. C'était lors d'une émission avec Baba Babacar il m'a demandé les raisons. Est-ce que ce n'est pas du peut-être au, fait que votre leader euh, vraiment n'entretient pas, il n'est pas sociable, etc., entre guillemets, ce que disent les gens et tout ça, je dis que si c'était euh, mon compagnonnage avec lui, c'était basé sur des raisons sociales et tout ça, ou bien le fait qu'il ne soit pas sociable, euh, je l'aurais quitté depuis longtemps. Donc j'ai été incarcéré, j'ai été à Rebus, des raisons que vous connaissez tous. J'ai fait sept mois de prison. Et il n'est jamais venu me rendre visite. Il n'est pas venu me voir, ni au niveau de la cave, ni durant euh, la garde à vue, ni durant pratiquement mon incarcération à la prison à Son nom euh, Non, personne n'est venu à son nom pour me dire que c'est Idriss qui m'a envoyé. C'est une raison euh, Bon, je ne dirais pas que c'est ça qui est la cause principale, mais juste permettez-moi quand même de garder. donc, finalement, de toute façon, vous avez quitté finalement. Et euh, à l'époque, vous aviez un ami, euh, M. Thierno Bokoum, qui, quelques mois avant vous, était parti. Et donc, les gens ont dit que certainement, vous avez quitté le Réunion pour rejoindre votre ami. Ce qui, s'est vérifié par la suite, parce que vous, l'avez rejoint dans ce mouvement. Oui, j'ai fait une déclaration pour dire que j'ai quitté le Réunion pour rejoindre Thierno Bokoum dans son mouvement. Et par la suite, euh, j'ai été membre du mouvement donc, pendant tout ce temps-là, donc de novembre à, 2017 euh, à aujourd'hui, jusqu'à ce que pratiquement j'ai fait une déclaration pour dire que je suis maintenant avec euh, le directeur Parce que, bon, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant que j'étais au Réunion, donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai voilà, rencontré beaucoup de Sénégalais. Ce, ce temps-là, vous avez vu que quand j'ai quitté, je suis parti en voyage, donc euh, j'ai de novembre 2017 à aujourd'hui, j'ai fait trois fois presque le tour de l'Europe. Donc j'ai fait les huit départements de la diaspora. J'ai rencontré bon nombre de nos compatriotes et puis des gens avec qui je travaillais à l'époque. Donc j'ai consulté beaucoup de gens. Au, niveau aussi euh, du Sénégal, euh, j'ai fait presque le tour du pays. J'étais dans les 45 départements. J'ai consulté pratiquement beaucoup de gens. Euh, qui j'ai connu, que j'ai rencontré. C'est après ces consultations-là que vous avez décidé d'exécuter le mouvement Absolument. C'est après ces consultations-là que beaucoup d'entre eux m'ont vraiment suggéré, m'ont conseillé. De, et moi aussi, j'ai vu de mes propres yeux, à travers mes voyages et tout ça, donc ce qui se passe à l'intérieur du pays, les réalisations qui sont en train d'être faites, etc. Et je ne sais vraiment qu'il ne valait pas la peine de, euh, de s'opposer euh, au président Macky parce que déjà, il est en train de faire euh, de grandes choses, de, des réalisations et tout ça, et c'est par la suite. Parce qu'on vous a entendu dire, mais on vous a entendu dire que, en fait, que vous vous retrouvez très bien dans la vision qu'avait dégagée M. Bokoum. Oui, je me retrouvais dans, la, dans cette vision. C'était une déclaration. Mais vous savez, on peut faire une déclaration aujourd'hui d'intention. Je peux venir ici dire que si je suis porté à la magistrature suprême, je vais faire des Thiès ceci ou cela. Et que je sois à la tête du pays, maintenant, les Sénégalais ont, voilà, fait une évaluation. Est-ce que ce que j'avais dit est, avéré ou pas Maintenant, bon, vous savez, je n'ai rien contre mon frère beaucoup on garde de très, très rapport rapport, et d'excellentes relations. Donc, mais moi, personnellement, je ne me sens plus dans le mouvement Azir. Et vraiment, je ne me retrouve plus dans le mouvement Azir. Et je leur souhaite bonne chance. Est-ce qu'il y a des faits particuliers qui vous ont amené à quitter ce mouvement Pas du tout. C'est un constat que j'ai fait. J'ai mené mes activités personnelles. J'ai consulté pratiquement toutes mes connaissances politiques, mes parents en premier lieu, mes amis, etc. Et j'ai aussi vu moi-même de mes propres yeux ce qui se passe. Par exemple, <laughs> ce que le directeur général de la Poste, Pape Sireja, euh, a fait tout ça m'a énormément séduit. Et vous savez, moi j'ai observé, j'ai fait des recherches et tout ça. Donc c'est pas fortuite cette, cette, cette décision. C'est une décision mûrement. Voilà, parce que j'ai pris de recul par la suite. Quand Tchernobyl a lancé son match, j'ai pris de recul. Vous n'avez pas vu dans, certaines activités du, mouvement Azur. Donc j'ai voyagé, je, suis revenu, j'ai fait le tour du pays. J'ai moi-même constaté pratiquement ce qui, euh, ce qui a peut-être ce qui m'a poussé à prendre cette décision mais il n'y a absolument rien de, de, Ok, donc aujourd'hui, donc, vous êtes membre de la paire, vous avez rejoint donc, le parti du président Macky Sall, mhm. vous militez ici à, à et vous soutenez le leader, euh, le, président D'abord, le choix de, de, d'abord, parce qu'il faut, il faut que, je, que, que apporte ces éclaircissements. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, qui disent, oui, Tchoubou, on ne le connaît pas à Thiès, il n'est pas à Thiès, etc. etc. Mais, vous savez, euh, j'ai une maison, nous avons une maison ici à Bagdad. Donc, moi, je suis. Euh, voilà, j'ai des origines ici à Thiès. Vous savez, quand j'étais au Rhum, je n'avais pas de frontières. Euh, j'intervenais dans toutes les localités du Sénégal, dans toutes les localités du pays. Je vous ai dit que je suis né à Fatik. J'ai grandi à Kaolack. J'ai fait le Sénégal parce que mon père, il a été dans le commandement territorial. Donc, je peux aller n'importe où dans ce pays-là pour installer ma base, exercer mes activités politiques le choix de Thiès Le de je, vous l'ai dit tout à l'heure. Paf Sireja, ce qu'il est en train de faire pour Thiès et ce qu'il est en train de faire, sa contribution au rayonnement de Thiès, tout ça, vraiment, je pense qu'il est incontournable ici à Thiès. Donc, pour euh, pratiquement venir ici euh, apporter un coup de pouce euh, pour la réaction du président Macky je pense qu'il est nécessaire de se ranger derrière lui et de l'appuyer. Mais Paf Sireja ne se limite pas à Thiès. Vous avez tous, bon, moi, j'habite à Pékin. <laughs> Donc, euh, je vois tous les jours ce qu'il est en train de faire pour les jeunes de Pékin. Donc, les sportifs qui sont à Pékin ne me démentiront pas. les étudiants de Pékin qui parfois peinent même à, régler leurs problèmes de scolarité au ne me démentiront pas. Vous allez euh, à l'université interpeller pratiquement des étudiants originaires de Pékin et tout ça. Et les gens, ne, on ne pas distinguer le Tchessois, le Kaolokois, le Fatikois face à Paf Sireja. Donc lui, il considère tous les Sénégalais euh, comme étant pratiquement des fils de ce pays. Et je pense que lui, il n'a pas de frontières. Moi aussi, je n'ai pas de frontières. Mais si vous avez décidé de le rejoindre, c'est pour, comme vous l'avez dit, l'appui, c'est pour amener un plus. Absolument. Qu'est-ce que vous comptez amener à partir oui, vous savez, euh, vous avez une grande expérience. Comment on dit en Wolof Comment on dit en Wolof Donc, euh, dem si lamb Je pense que moi, le fait que que je fais, vraiment ce soir là soit, soit fait sur Pape Je pense que ça, euh, vous savez, j'ai rencontré pas mal d'hommes politiques dans ce pays-là, donc j'ai, euh, voilà, je, les connais tous. Mais lui, c'est, comme on dit, c'est la force tranquille. On ne le connaît pas sur certains détails. c'est quelqu'un qui, qui, fait des actes concrets. Aujourd'hui, ce dont le Sénégal a besoin, c'est ce genre d'hommes politiques. Des gens qui, qui, qui, qui, qui contribuent au rayonnement de leur localité, des gens qui aident leurs concitoyens, des gens qui euh, vraiment euh, voilà, n'attendent pas les grandes manifestations, comme on dit, pour, pour faire du, euh, du ngistel. Lui, il ne fait pas dans le ngistel. C'est quelqu'un, quand il apporte son soutien aux populations, il ne veut même pas que son nom soit cité. Moi, j'ai assisté avant-hier à une action qu'il a faite donc, euh, je, ne sais pas si je peux le citer et tout ça, mais c'est un enfant qui avait des problèmes de, cœur, qui avait un problème de, santé extrêmement grave. Il a soutenu toute la famille. Et moi, j'ai été ébloui par ce geste. Donc, une personne comme ça mérite vraiment d'être soutenue, mérite d'être accompagnée. Mais aussi, les Sénégalais doivent aussi savoir que euh, les Sénégalais doivent prier pour lui. Parce que déjà, ce qu'il est en train de faire, il est de notre devoir, nous tous, de le protéger, d'être ses boucliers. Donc, euh, c'est que moi, je me considère comme un bouclier, comme un bifal de pape. Euh, merci, mais, mais maintenant, mais, parce qu'en fait, Thiès, sur le plan politique, quand même, euh, constitue, euh, disons, une région assez particulière. ce qui par rapport à vous, vous avez votre mentor qui habite votre ancien mentor, Michel Drissek, qui habite et qui est aujourd'hui l'un des adversaires les plus farouches de, la paire au niveau de Thiès. Euh, vous le connaissez, vous l'avez pratiqué pendant des années. Cela veut dire donc qu'aujourd'hui, certainement, euh, Pape Sérédia compte beaucoup sur votre apport. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous comptez faire justement Parce que nous sommes dans les perspectives de 2019. Et nous savons que Thiès est l'un des objectifs principaux du président de la République, M. Et donc, si vous venez au côté aujourd'hui de M. Sérédia, c'est parce que vous pensez pouvoir amener quelque chose. Mais vous savez, euh, parfois les gens se trompent parfois sur, des analyses. Je le dis souvent à, mes compagnons politiques. la bataille de Thiès n'aura pas lieu. Hmm. Faute d'adversaire. On a fait les élections législatives. Vous avez tous vu ce qui s'est passé Mais attends, euh, Pape Sireja, il a été tête de Il a pratiquement remporté au la main le département de Thiès. Donc aujourd'hui, euh, ce qui était considéré ici à Thiès comme étant un homme fort et tout ça, vous avez tous vu que, les élections législatives ont totalement montré le contraire. Donc la bataille n'aura pas lieu. On va consolider cette victoire. Nous allons travailler, Inch'Allah, pour que Thiès soit totalement entre les mains du, directeur Papsrega. Et ça, je pense que nous sommes sur le sommet. Donc moi, mon apport, je pense que euh, je ne ménagerai aucun effort pour la réussite projet politique de Pape Serega Adjès. Donc euh, je suis là, je serai là, Inch'Allah, je ferai tout mon possible pour que euh, l'objectif soit atteint. Je pense que j'ai trouvé ici des gens très courageux et très valeureux, des gens aussi qui vraiment euh, voilà, sont capables de soulever des montagnes. Et je serai avec eux. Inch'Allah, nous allons réussir. parce que euh, donc mbokk yi yéen doon déglu euh, monsieur Samba Thioub nga xam ni moom xam ni ñëpp xamoon nañ ko ci réew mi nga xam ne moo doon secrétaire permanent ba nekkoon foofu ci ci permanence su réew mi ca Dakar ginnaaw bi dégg ngeen bi mu fa jógee ah, bi mu fa jógee nag euh, ñëpp dañoo jàppoon ni ñu ngi ànd ak Thierno Bocoum. wante bi mu demee ba ci biir ah nee na bi mu xoolante ak ay mbokkam tey jii daal li mu jàpp moom mooy dafa war a ah, dafa euh, ñëw jege si euh, APR euh, ànd ak ki ñuy wax Siré Dia nga xam ne moom mooy directeur du poste donc monsieur monsieur Thioub Thioub ñu laajteel la. pour mbokk yi ci ci wolof nga dellusiwaat yi bi nga xam ni moom moo waraloon sa jógee ci réew mi. Ah, maa ngi leen di nuyu bu baax waa Prestige Thiès donc di rafet lu aussi ñi nga donc ñu nekk Sénégal ak donc politique euh, le président Macky son excellence président Sall euh, le frère euh, qui est pratiquement l'homme fort de Thiès donc di aussi tous ces collaborateurs di toute la famille politique du président Macky à Thiès Nous aussi vraiment képp euh, yaa ngi seetaan di aussi di leen gërëm di leen sant si seen seetaan bi ngi pour tontu sa question euh, damay ñëw d'abord si si si si si si si sama passé politique donc ñu man euh, dama nekkoon ndaw nekkoon un étudiant à l'université donc bi président parti réew mi monsieur Idrissa Seck commencé am ay tolof tolof donc président Abdoulaye Wade donc ñu taxawoon di xeex loolu moo ñu boole ak euh, Yankhoba Diattara mu taxawal parti bu tudd Fidèle ñu nekk si étudiant donc jógee fa euh, fekkee bi ñuy taxawal réew mi 2 novembre 2006 bokk si bureau étudiant yi di à la base euh, fële sa département de Pikine donc dem ba mu yàgg nag ñu gis ne liggéey bi ñuy liggéey si parti bi am na solo bu kilifay parti bi si instance bi nga xam ne moo gën a kawee si parti bi muy secrétaire national ñu namee mu si le 4 septembre 2014 ma nekk secrétaire permanent nekk l' administrateur du parti donc ba le 11 novembre bi passé jàpp ne man sama nekk si parti bi jeex na ma jël sama responsabilité donc déclaré def déclaration ni ko Sénégal yëpp gisee ni génn naa si parti boobu euh, dem si ànd ak sama frère Thierno bokkum si mouvement bi mu lancé donc ma dem na ko ba nga xam ne aussi jàpp naa ne man euh, ànd ak président Macky Sall tey lu ma war la ànd président Macky Sall si son frère Pape Siré Dia war la ndax def na Sénégal voyager na si entre temps j'ai fait le tour du pays j'ai fait la diaspora et cetera gis na lu wara mëna tax man mu sóobu ci liggéey bi nga xam ne moo war a euh, falaat président Macky Sall topp si ginnaaw Pape Siré Dia. ci ci loolu ci toolu Samba gis nañ que bi ngay jugee réew mi dafa dafa tombé. Mm. ak naa moo ay torof torof ci wàññi yoon. Mm. ñu ngi ci wax nga la ci masawu di vraiment di. suñu borom tegg na loolu yëpp. mais est-ce que loolu taxul tolof tolof yooyu nga amoon xëy na ñoom taxul na la loolu taxul euh, lu bëri lu mu yàq nag si si si relation yi mais damay ne loolu taxawul parce que def naa sax déclaration bi ma génnee réew mi si benn rajo de la place donc euh, mu am ñoo xam ne interprétation bi ñu si def peut-être que baaxul mais euh, dama ne rek bu fekkonte ne nit relation sociale moo koy boole ak nit man bi ma génnee réew si bàyyi naa sa Seck. mais lolou taxul bu ma génne ma bayiko parce que def naa fa yi ñaari euh gisuma ben yoon nag taxawam musuma mosuma ci wowul woowul sama njaboot mosul yónni aussi kenen parce que ñu fa doon ñëw di di di may seet yëpp bok ci parti bi newuñ ma Idriss Seck moy ñu donc lolou nek na vraiment lo xam metti métti na ma trop mais taxul ma bayiko donc li tax ma bayiko da ngeen may may rek ma ma ma ma ma pour pour pour sama mbiru bopp waaw mais di di wax rek ne pratiquement baye bi waxtaan naa si ak mbokk yu bari bari bari bari bari donc am jamay bari yu mu ci ben yon ak sama entourage mais bi ñu gisee ne bi nga génnee da nga da nga parce que avant nga xarit bu ñu ñuy wax bokkum ceerno bokkum moom mo la jëkk génn sax bi mu demee yow bi nga jógee tamit ci rew mi dañ da nga déclarer ni ci mom ngay and parce que da nga japp ni que li muy taxawal ci dem ci gis gis bu mu am ci Sénégal gis-gis boobu gis gis ci sa bopp ba nga xam ni da nga décidé woon déclaré nga ko sax da ngay ànd ak moom ci mouvement boobu mouvement boobu def na ni yàggoo fa de. waaw yàgguma fa parce que comme ni ma defoon rek déclaration la defoon ni déclaration la aussi vraiment sama xarit la comme ni nga ko rek amuñu benn xarma yàlla. ma koy ñaanal aussi ko mais may wax rek ne man dama dem ba wëral sama bopp Sénégal dem si terrain bi dem gis liggéey bi nga ne terrain bi donc ñëw cees xam nga parce que man sama politique yëpp lu si bëri fi la euh, boo xoolee campagne électorale yi am yëpp euh, locale yeeg euh, législative yooyu yëpp fii lañ donc bokk nañ si ñi nga xam ne ñoo yoroon liggéey bi donc ma gis aussi ne fii si cees am na kilifa goo xam ne jël na pouvoir bi jël na nguur gi muy le frère Pape Siré Dia nga xam ne fekk na ko fi nekkoon nga xam ne wàllum wéy na moom nag mu ñëw def jiital ko nek tedris departemental départemental Thiès waa yi tànn ko waaw mhm. ah, nek nak yow yañu doy legi waaw ah, ma ne nag lii vraiment ku mu doyul gisuma lenen lu doy mhm. donc lolu bokk na ci luma ma ma ma ma ma jël décision bi ma jël né vraiment euh, damay and ak euh, mom mais la ñoo ñu ci Pape Seye boobu ci réseau yi tax nga and ak moom d' la li ñu ñëk njëkk laaj mooy li tax nga ñëw parce que euh, wax moko sank ci ci nasaran ñu nga ñu bon dañu jappone xena nak ko ties wala ñu demee non waaw xam nga man bi may nekk parti réew mi donc j'étais national man dama doon euh, dem fépp si si si si réew mi ak bitim réew di samp parti bi dem foofu di présider ay euh, jotaay pour parti bi ak yooyu donc man awma frontière beneen bi si mooy man Fatick laa juddoo yaroo Kaolack defee fa sama cycle euh, primaire secondaire wër Sénégal ndax sama papa nekkoon si commandement territorial su préfet yeeg préfet yeeg autre donc euh, yaru ñëw Pikine aussi pratiquement defee fa sama jeunesse donc euh, Thiès gi nag Bagdad Gueye du wëtu kër sëñ Xadim Lo Gaydel nga xam ne maa ngi koy nuyu bu baax suñu kër mu nga fa fi may waxee yoon ni sama mag moo bokkal ndey ak moo nekk si kër gi donc euh, kenn ëppale wuñu Thiès dara Thiès je pense que bu ñu fi ëppalewul nit ñu nit ëppalewuñu fi moo tax nag man ma jël sama décision ne damay ñib si Thiès ñu and ak sama frère pap Siré liggey bi nga xamne mom la sumb koy doxal pour ties wa yëpp jàppale ko ci ba paré ba paré yow ma si loolu rek mhm. pap Siré Dia damay préciser ne il est national Pikine gi nga xamne man fala laa fi may waxee euh, ñi nga xamne ño fa nek nek fa ay ndaw yëngu ci walu sport ñeneen ñi aussi di def leneen ay activité yeneen ko si waxtu Siré Dia la koku dem ko min kanamam ba pare di koy gërëm di koy sant ndax ñu leen taxaw nga dem euh, aussi ci ci ci fépp ci Sénégal xam nañ ko xam nañ taxaway bu bu leen taxaw donc loolu aussi vraiment c'est à c'est à lu ñuy gërëm la euh, lu ñuy aussi rafetlu la parce que aussi un homme politique da nga war a amal njëriñ sa askan un homme politique da nga war a taxaw sa askan mais ni ma gisee moom mi liggéey vraiment ku ku ku ku neex andal la et puis boo ànd ak moom aussi da ngay nekk à l'aise parce que marchandise la bu neex a jaay waa xam nga Thiès moom parfois ñi def analyse politique dañuy juum contexte bi bi ni taxaw ni actuellement ni après élection législative yi passé rek Thiès dafa am borom léegi waaw Thiès léegi Thièsu Siré Dia waaw ndax moo ñu jiite liste départementale kañe ko olaame loo xam ne mosul am depuis 17 ans ku ne xam na ne at yooyu yëpp kenn moo fi tegoon tànk teg fi loxo tey nag loolu la tendance est renversée ndax euh, Thiès waay ñu yeewu Cees waaye ñoo xam ne léegi Cees kan moomu ko donc qui est di taxaw di leen dimbale moom la ñu wóolu moom donc tey la bataille n'aura pas lieu la bataille de Thiès ndax amul adversaire donc euh, vraiment beaucoup tudd tour di personnaliser mais dama lay wax rek na la man li ma fekkee xam ko gis ko mooy Thiès kenn moo le frère Pape Siré amul beneen adversaire politique donc inshallah allahu rabbi euh, li ñuy def bu ko continuer 2019 euh, on va passer comme lettre à la poste li ñëw rek euh, def une razzia. Euh, voilà c'est ça. <laughs> mais allah Samba am nga euh, parcours politique bu intéressant mhm. am nga jaar-jaar ci wàllu politique am nga expérience. yaa ngi nga ci comme depuis nga nekk étudiant ba tey jii kon jàpp nañu que tey jii boo jëlee président Sénégal am na loo war a a indi loolu waaw man man xam nga parfois damay xaw a gêné may wax si sama bopp donc loolu mu newuma ko li mu mën a wax rek ba mën ko wax mooy. duma dem ci lamb ji di bàkku je pense que man dama am benn eh, xër boo xam ne day ne si man ba lu ma dugg rek dama si tax dama si dem ba jeex gis nga ni ma nekkee woon parti réew mi exclusivement au service du parti pendant 5 ans donc tey su ma ñëwee fii tey damay redoubler li nga xam ne moom laa doon def te incha allah li si kanam rawli li bët vous allez tous constater di ngeen gis ne ne man maa tànn man maa tànn waaw man maa tànn damay ànd ak sama frère suñu nijaay suñu tonton nga xam ne kilifa la muy directeur général de la poste kilifa gu mag fii si dëkk bi donc tey man su ma ñëwee euh, incha allahu rabi damay nekk Baye Fallam nekk ndongam nekk aussi à ses services exclusifs waaw donc tey loolu la euh, fu mu ma yebal ma dem fu mu ma yónni ma dem fu mu ma yóbbu ma dem parce que waaye donc man tey mooy sama kilifa moom laa jébbal lépp tey su ma ne woon sax ñëwal nga. nga nga nga nga nekk sama euh, je sais pas mais je suis à tout faire pour lui parce que moom lu ko waay defar rek euh, donc mérite na ko c'est ça. waaw li may wax militant APR yi nekk biir Thiès déjà gàcce ma boo xoolee li tax ma ma ma nekk à l'aise euh, derrière Siré Dia mooy dafa équipe bu dynamique boo xam ne ñooy ànd ak moom liggéey ñoo xam ne macha allah da nga leen naw si seen. dynamisme ak aussi seen disponibilité ak seen njàmbar donc loolu na ko ñëpp def ñu la dafa ñu jàppante la main dans la main parce que je vous dis une chose ah Thiès vraiment affaire bi am na changement bu baax waaw Thiès boo xoolee depuis législative bi ba léegi euh, pratiquement y a plus d'adversaires ici pour le pouvoir Donc, l'olu, je pense que li nga xam ne moom lañ jot a def comme jéego politique moo ko waral donc nañ gën a rëb la defoo jàppante te topp si ginnaaw kilifa gi donc vraiment je pense que loolu bu ñu ko defee rek liggéey dina dina jëm kanam. waaw euh, prestige nag moom vraiment li ma fi gis c'est prestigieux donc comme ni ñu ko waxee rek man euh, dem naa si plateau bu yu bëri si Sénégal ak bitim réew mais je pense que vraiment lii fi nekk nii dañ leen jaajëfal bu baax leen ñaanal nag li ngeen mën ren déwén ngeen mën lu ko ëpp di ñaan Thiès Prestige nekk la premier site euh, vraiment boo xam ne moo moo teg loxo si Sénégal. te incha allahu rabi yéen a ngi si yoon bi maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant seen disponibilité aussi si li ngeen ma réservé